vous faites tous les trois ici Rien, on, va, vient voir euh, notre cher monsieur Macron. Pourquoi Pour lui dire quoi Lui dire, je ne sais pas si on pourra lui parler, mais euh, Il va arriver là dans, Une petite heure. il y a des choses qu'on voudrait dire mais qu'on ne peut pas dire malheureusement. par exemple. Le déclin de la France. Vous pensez que la France est en déclin Oh, totalement. Pourquoi Parce qu'on a un cher président qui dit qu'on n'a pas de culture. Et je trouve ça triste. Vous êtes euh, engagé vous-même politiquement Assez, oui parti euh, Un parti qui est mort, on va dire, plutôt l'anarchie autre chose. Vous aussi, vous êtes tous les trois anarchistes Non, non, pas, spécialement. Euh, comme monsieur, racontez. Ils sont timides, C'est vrai Non, mais on sait que vous avez Pardon. tendance à détourner les, propos qui peuvent être donnés dans ce journal, dans ce médium. un exemple, par exemple, du propos qu'on aurait détourné Je ferai pas plus de commentaires. Bonne à vous. Au revoir. monsieur. Bon, l'accueil est un peu froid, on les a donc laissés, mais sur les images suivantes de Paul, on les revoit ici, toujours en train d'attendre la sortie du président. Là, durant les slogans des Gilets jaunes, ils sont à gauche, et notamment celui qui va agresser le chef de l'État. Les gendarmes passent juste à côté d'eux. L'homme qui a giflé le président reste silencieux et n'attire pas l'attention. Il cherche à s'approcher des barrières pour être au plus proche du chef de l'État. 14h30, Emmanuel Macron arrive.